ne saurare a daidai wannan lokacin da tattaunawa a cikin ta les violences en milieu scolaire et on va essayer de déterminer les causes. Maudu'i mai muhimmanci kenan au regard de tout ce qui se passe dans l'actualité ici au Niger. Un peu plus tôt dans cette semaine, le lundi 16 mai 2022, un élève a agressé son enseignant, mais pas que. En 2017, le rapport final de l'étude sur la prévalence et les causes des violences en milieu scolaire stipule que 48,1% des élèves un participé à l'enquête déclarent avoir été victimes de violences de la part de leurs enseignants. Et les violences peuvent être physiques ou verbales. Wannan shi yasa yau muka karkata akalar shirin namu akan wannan matsalar. Za mu ji menene asalin silar wannan matsalar? Su wane ne mafi yawan masu laifi a cikin wannan matsalar? Domin samun amsa akan waɗannan tambayoyin namu sai kun biyo mu a cikin wannan shirin namu na mu haɗa fada. Et amis jeunes, c'est parti pour 35 minutes d'échange de musique et de chronique. Masauraran mu yau mun bashe kolin fadar tamu ne a nan tsakiyar filin makarantar sos zamta nan babban birnin Yamai inda zam tattaunawa akan maudu'in mu na yau la violence a milieu scolaire et on va déterminer les causes. Yau muna tare da manyan baki a cikin fadar tamu je vais les laisser se présenter chacun. Bonjour monsieur, je vais commencer par vous. Euh, Soumail Kangekoba, donc euh, HGCL, président du RAID depuis 116 ans. Moi, c'est Abbas Joubo, secrétaire général euh, chargé de la communication et de l'information de l'unité syndicale des enseignants contracteurs de base ISECOB. Euh, bonjour, c'est M. Badjimorou. Je suis professeur d'histoire géo au CSSAM. En même temps, je suis le secrétaire chargé à l'organisation du SNES, e le syndicat national des enseignants du secondaire. Euh, bonjour, nous sommes Soumaïla Moumouni Abdourachid, secrétaire général du comité exécutif du CSSAM. E je suis élève en classe de primaire A1. Bonjour à tous, je me nomme Ibrahim Bella, en classe de terminal A2. Je suis le SK secrétaire chargé des affaires sociales. Bienvenue à tous dans notre fada. Amma kafin mu tsinduma a cikin shirin namu, bari mu saurari tsokacin da magashin garin babban katami, garin da abin al'abishabin nan ya faru, inda wani yaro ya kashe mushansu, kuma garin yana a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Buza. c'est quelque chose vraiment du jamais dit, c'est regrettable. Et l'événement, ça s'est passé entre 10h30 et 11h, puisque l'élève s'est présenté le matin avec des bracelets à main, qui ne sont pas d'habitude, des, trucs qui ne sont pas normaux, euh, qui ne conviennent pas à notre religion de voir un homme porter des trucs des femmes. Ce C'est pas une bonne éducation. C'est là où l'enseignant a rappelé l'élève d'aller enlever ses objets. Arrivé à la maison, il a enlevé ses objets Maintenant, du retour, il a amené un couteau avec lui. Il n'était pas content de ce que le maître lui a dit. Et une fois en classe, le maître a dit qu'il a enlevé ce qui était sur les mains. Il n'a pas pu enlever ce qui était sur son cou. Mhm. Il lui a rappelé une deuxième fois pourquoi tu es revenu dans ma classe sans enlever ce que je t'avais demandé d'enlever. Du coup, lui, il ne savait pas que l'enfant avait une arme sur lui. Maintenant, quand il prenait pour aller au tableau, c'est là où l'enfant a fait sortir le couteau. Les autres élèves ont commencé à crier, c'est le cri qui a fait que l'enseignant s'est retourné et directement il voit un couteau qui est en train de venir directement sur sa poitrine. C'est comme ça que ça s'est passé. Et sur le champ, il est tombé comme vraiment c'est un couteau qui est pointu. comme il était venu avec déjà l'intention, donc il y a cette force-là qui lui a permis vraiment à ce que le coup soit grave. Bon, ce qui va advenir de l'enfant là, maintenant, c'est pas à nous de décider. Maintenant, c'est la justice qui va s'en occuper. Il est déjà à la gendarmerie. Depuis hier, les gendarmes l'ont amené. Il y a ses parents aussi qui l'ont suivi ce matin. Mhm. On était à l'enterrement ensemble avec eux. Après ça, les CV les a rappelés. Ils sont à la gendarmerie actuellement. Donc là, je ne sais pas ce qui va suivre. C'est à la justice de cette cité. comment l'histoire de Bouza s'est passée Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette histoire-là Bien, bah, l'histoire s'est passée, tout le monde a entendu comment ça s'est passé. Maintenant, il faut voir euh, les causes et les conséquences de ce réajustement. Donc mm. pourquoi il y a eu telle réaction de la part de l'enfant C'est ça qu'il faut d'abord chercher à comprendre. Mais il vient de le dire, il dit que on lui a Effectivement, ça veut dire que c'est ce que nous disons souvent. Enseigner, c'est pas seulement donner un savoir à un enfant c'est aussi pénétrer la personnalité de l'enfant. C'est connaître d'abord l'élève. Parce que quand un élève décide de porter des bracelets, de porter des trucs de femme, bon, c'est pas ex nihilo. Ça veut dire qu'il y a un comportement caché de l'enfant qu'il faut essayer de comprendre et d'essayer maintenant de dissiper ce, ce, comportement. Maintenant, ce qu'il faut faire d'abord, le, premier élément, c'est une expertise. Hein. pour voir si maintenant l'enfant n'a pas, s'il n'a pas de trait de criminalité en latence. Oui, surtout si c'est encore secondaire ou bien à l'université, hein, avant ça peut arriver, mais quand même à l'école primaire où l'enfant ne sait même pas faire la différence entre ses deux mains, donc jusqu'à avoir l'idée de tuer, donc ça veut dire que c'est pas pour rien. Et il n'y a plus de discipline dans les établissements. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peu de châtiment corporel. Mais, mais, effectivement, qui sont ces gens qui ont interdit ça Ce n'est pas l'événement de la démocratie, ce n'est pas l'événement des associations de droits de l'homme de Jésus, cela. Eh bien, depuis, qu'il n'y a plus de discipline dans les établissements, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Il ce qu'on appelle... on va laisser les, élèves les, nous expliquer. À votre avis, monsieur Soumaïla um, à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer une telle violence voilà, merci beaucoup. Nous avons tous entendu l'histoire. Un élève qui a agressé mortellement son enseignant. Ça fait plusieurs années que nous n'avons pas entendu ce genre d'histoire. Donc, euh, il faut d'abord que nous essayions à comprendre dans quelles circonstances est venue cette histoire Les circonstances, le, maire de la ville où ça s'est passé vient de nous l'expliquer. Oui, oui. Maintenant, la question que nous nous posons, qu'est-ce qui a poussé l'enfant à avoir un tel comportement jusqu'à aller assassiner son maître, son enseignant. Les gens âgés ont l'habitude de nous raconter. Ils, ont, ils avaient peur de leurs enseignants jusqu'à ce que dans la nuit ou lorsque leurs enseignants venaient au niveau de leurs copines, ils sentaient l'odeur de leur parfum et ils ne pouvaient pas sortir. Donc cela pourrait nous dire que d'abord, ce qui implique cela, c'est l'éducation à la maison. On ne peut pas mettre un enfant à l'école sans pour autant le suivre, sans pour autant privilégier une surveillance au niveau de sa carrière académique. L'éducation doit commencer, doit à, la maison. Donc, monsieur Parce vous êtes professeur d'histoire géo ici au CSM. Qu'avez-vous à dire à propos de cette histoire Moi, j'ai plus de 20 ans d'enseignement. C'est la première fois de ma vie, même si le réseau au Niger, je viens d'apprendre qu'un enfant, surtout un enfant du premier, ait le courage de prendre un couteau agresser son enfant. Mhm et son enseignant jusqu'à le tuer. C'est un crime. Le crime, c'est le plus top niveau de délit. Et même au niveau de la justice, le crime n'est pas justifié. il y a seulement, des circonstances atténuantes. À mon avis, rien ne peut pousser un élève. Rien ne peut justifier, rien ne peut donner comme preuve palpable et acceptée par la société qu'un élève du primaire ait le courage de prendre un couteau contre son enseignant. Ça ne se justifie pas. à mon point de vue, ça ne tient pas debout il n'y a pas de raison. Parce que, comme l'a dit, nous les enseignants, nous avons deux casquettes. Les gens confondent l'enseignement et l'éducation. Nous sommes en même temps enseignants qui forment, qui donnent la connaissance et, nous sommes des éducateurs. Lorsque le maire a parlé, il a donné les, les premières raisons avancées. Si c'est des raisons, un élève vient en classe, tu n'es pas conforme par rapport à la tenue, retourne enlever ce qui n'est pas conforme. Et même par rapport à la, à la religion. Un, homme ne doit pas s'habiller ou bien se maquiller comme une femme. C'est les raisons primaires. Maintenant, comme il a dit, il y aura ce qu'on appelle les enquêtes approfondies. Mais avec tout ça, un crime n'est pas accepté, quelle que soit la raison. Et surtout pas à l'école. Surtout à l'école, un enseignant. Nous, lorsqu'on était à l'école, c'est au recul. Un, un élève a plus peur de son enseignant que même ses parents. Donc, je ne vois pas maintenant, aujourd'hui, on va revenir aux causes. Aujourd'hui, il y a des élèves qui ont le courage d'agresser leurs anciens physiquement jusqu'à moi. Savez-vous qu'avant, il y a des enseignants, quand il y avait effectivement le châtiment corporel, il y a des enseignants qui ont tué des élèves dans le passé. Et il n'y a même pas eu de suite. Juste pour rappel. Donc, euh, on va d'abord euh, essayer de voir qu'est-ce qu'on appelle violence en milieu scolaire. Monsieur Abbas Jubou. Merci Studio Kalangu de nous avoir euh, donné l'opportunité euh, de nous exprimer par rapport euh, à, cet événement douloureux. Et je rappelle que c'est un camarade qui a été assassiné. Je profite de ce micro pour présenter d'abord nos condoléances à, sa famille et au corps enseignant. Je pense que le, le sujet, c'est le, c'est, comme vous l'avez dit, milieu et la violence en milieu scolaire. On ne doit pas seulement se focaliser euh, sur cet acte qui est la plus grave d'ailleurs, sinon euh, avant cet acte, il y a eu pas mal de violence. Avant même l'assassinat, toujours dans la région d'Ottawa, au niveau de l'université euh, de l'université d'Ottawa, on a vu des étudiants qui ont failli se, poignarder. Et après l'événement aussi, une enseignante a été aussi agressée, et toujours dans la même région, à l'école primaire de Gao, au niveau de, de, de, Tawa. Heureusement qu'elle a pu échapper. Là, c'est pas un élève, mais c'est, on peut dire c'est un parent d'élève qui a appris que, paraît-il, que l'enseignante l'a insulté et, il est venu lui aussi avec un couteau dans le même objectif. Donc, euh, après tous ces événements, nous, on s'est dit que l'heure est grave, l'enseignant est en danger. Et il est temps qu'on se réveille pour que vraiment ces genres euh, de pratiques n'arrivent plus.

ya dauki yuka ya kashe mu shi wannan bai kamata ba mu muka ce to wannan abun da ja an mun ji labari mi ya kawo yaron abun da ya sa ya kashe shi kwa yanzu mu muka ce nonno ban mu sa can il faut que mu je mu tai gaba mu gani quel est le véritable problème nous moi je pense que c'est même le système le système scolaire même qui est défaillant. On doit revoir ce système, ce système scolaire-là. Qu'est-ce que nous sommes en train de former Là, ce ne sont pas des disciplinés, comme l'a dit l'autre, que nous sommes en train de former. Nous sommes en train de former des élèves violents des terroristes, des assassins. Donc on doit revoir ce système scolaire pour que vraiment... Euh, parce que nous, on ce système d'ailleurs même nous a été imposé par l'Occident. C'est pas... Donc, euh, donc il faut revoir en fait à la base... À la La, finalité même la finalité de, notre système scolaire doit être revue. Oh doit être revue. Parce que ça ne correspond pas à notre culture, ça ne correspond pas à notre, à notre religion, à notre mhm. tradition. Ibrahim menene ake ce ma violence scolaire to a ton avis to ni dai abin da nace gani kamar violence uh, scolaire cin nan kamar lelev na na wannan da ce karatu da cikin class din bai kamata yi wannan abun mm. tunda tu mu a lokacin mu da muke samdi on peut même pas oser regarder abin le maître droit dans les yeux à plus forte raison d'oser et le faire du mal. Um, Kafin Mutiga Baba, Bermuja Mbaiwa Dondi Fili avec sa rubrique L'artiste s'exprime. maliyaro irma sambu za sintinai eh, parce que kun kuna irga bekka niger wora zaine maliyaro barakul gaba maliwo mantikala ai ma da kano don ka yaro mo ai babu ma da kano nan kan ma lodin funnuwa ta maliyaro mhm. ni fun sirfi karni kanyama mai ji kodin matkina no ni kadara mhm. matkin ai kada ai mun bai har nukan ai managar irko gay gaida ngara kan irko ne nigte mo niga te denu kati kan aitun ay gonda hanga sinfo kan kama bambara bambara kan aika irko te ay bambara bambara oh. agoguje gumbe e gumba mo irkwaru wonno na namuno mm. donc ay gumba bay me agwani goyo da ay mm, bambara gumbe na ga karagwa ne gumbe na numa funu kartin si kalkala gumbe me iman lalagto bambara bambara don mm. kan ka bai de professionnel go kar mm. petit à petit nimo nigi don don dondon nigi wani donc irgi jouer charbanda igir che chebedo zamir sikal RDA windora zam RDA bandino iriga kure fono parti RDA no di la kurusu no di no di du cheyong girche il RDA bore ikwara irko go jouer ici donc go yad il yad joué, yad yad go yad kal 98 98 euh, ngono wankoy agence promotion tisumantini mhm. anungonu concours concours amateur mm. donc concours dinga il participait mais il participait gumba participe il participait so il na modernisé mm. gayé orchestre sanga daga gumbe aran ye orchestre voilà. amma aran star voilà, gumbe star e gumbe star ba gono ben bon maintenant kan ina concours no sumantini no concours din dan maintenant mm. il me batterie mm -hmm. il me guitare mm -hmm. maintenant bombaradini il côté bombaradini dey kangu jouer le gumbe mm. Il irkota aye batterie don don donc il kumba bargate de batterie voilà donc et puis arango chergana irgo chergana aymo Il igon voix kang don donc il moneto concours odim il faut qu'il participe en 98 ah. il participait on a appelé euh, Almeida on a appelé Kanogay on a appelé Paco euh, à ce temps-là Omar Dambar n'est pas venu mhm. donc in chor morgu morgu ah, de ni abo almeda dirse ir koy voilà ir koy concours do hmm. ir ko concours do morsa kan irka irka troisième morso ay fongo bismillah ya ga sentinda nyai zai wahangan hay kulkirga te andon yabo mbor mo fonga ir ga ir sintinano har kan hmm, pour sintin kar podium mi duno kai mina sandi fomali yaro zafu nuga hatta hatta gado nugwana walinya mai nu fura rapu tu folo ai suwana is babai ils savent même pas les gondes voix kangodon foyongi no no zongugu zongugu zongugu 5000 koberi cabi son dini métier je do kalmade to kalmi lembo <laughs> alo madiaro famonde se do no na fufudu manaka na de hon kuna ribra de nego ribra eh, de nego parce que man kanda ay kule ay banda ñame emina alhamdulillahi parce que ay naaru ara ay hijara ay haya ay du moto ay du windi ay du makko yongo hinno cindesi numo wori ko ay go fonda wori ko ma dogonen <laughs> l'artiste s'exprime mesdames et messieurs l'instant est tout simplement solennel maliaro sandi ko koranta ni senago zane kal silfi kwara bore go ganganirse cen fonun kuni gangi tonon di jeune gars ay tonen jeune gars jeune

sauraron mu bari mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin na mu haɗu a fada inda maudu'in namu na yau shine le violence a milieu scolaire kuma kamar yadda na faɗa yau mun yada zango ne a filin makarantar COS zam tare da bakin namu muna tare da monsieur Abbas Jibo SG syndicat des enseignants monsieur Soumaila Kangay Sansuwar kin COS zam monsieur Bagyo Nuhu professeur kin histoire géo avec Soumaila Abdurrashid na COS zam da monsieur Ibrahim Dauda shi ma birkin comité exécutif donc euh, on va continuer avec avec nos questions. Ibrahim Dauda, à toi à ton avis que à ganinka, menene mushe zai iya yi ma kamar in muka bar wannan zancen na abin da ya faru a buza an general in muka dauka menene mushe ke iya yi ma mutum har ya kai mutum ga daukan hannu saman kan mushe shi ya buge shi ko ya zage shi ko kuma ya mishi wani abu wa'anne irin abubuwa ne kai a ganin ka ra'ayinka ne muke eh yawa abin da nace gani a samdi kun san ana dokan leson in mutum bai dokan leson ba asim ana iya buge shi ana iya buge shi to watakila an buge shi ne bai ji daɗi ba kuma wajen abin nan correction ne bai samu not ba duk akwai wannan mhm. shi yasa petatar shi ma ya doci ya doci abin da zai yi kwa da shi oui bonjour présentez-vous d'abord Et je me nomme Imran Ali. Imran Ali en classe de seconde C. Donc, que euh, a ayinka. Eh. wane irin abubuwa ne mushe kan iya yi ma elef kin shi har abun ya fusata elef ta da zai iya zagin shi ko kuma ya dauki hannu saman mm-hmm. kan shi. Su mi da mine Déjà en parlant de conscience d'un de, châtiment de monsieur Dazuinam. Il faut comprendre que depuis que il n'y a plus de châtiment, depuis que les professeurs n'ont plus le droit de lever la main sur les élèves, depuis qu'ils n'ont plus le droit de châtier les élèves, L'école, disons en quelque sorte que chaque année, même le taux de réussite baisse euh, chaque année. Parce qu'il faut d'abord que l'étude là, pour l'enfant, quand il est inconscient, il faut d'abord que ça soit une obligation pour lui, tant à la maison qu'à l'école. Il faut d'abord qu'ils aient d'abord d'où le nez qui est un kraton. Car il a conscience de abin ga dan kanshi ne kenan ganin shi kenan violence in nan normalman ake cewa violence in ba a ba eleva hanya ba ba su samu su yi violence in ba su samu hanya ba normalman su suka ce a maido kashi normalman normalement ma ne ne sai a basu shi ko muna maido shi yara suka tai su suka tambaya sun ce in ba a basu hanya ba yaro bai samun damar zai samu kura shi in yazo har cikin école yayi abu cikin etablissement in ma kahin ma yi shi ya fara shi cikin class tunda ya fara shi cikin etablissement ya ga ya samu hanya kahin ya fara shi cikin class har ya samu kura shi in ƙara abin ga kenan ya samu hanya ne su irin abin da suka faɗa da yake iya tura yaro ya fusata ya zagi ko ya bugi mushannin shi ko ana ku gani wa'anne iri ne za ku iya ƙara mana akai masalan ma yanzu shi ya ce a maido don saboda ba a ba yara kashi ne mm-hmm. karatun bai nan ga ci gaba kuma yara suna nan ga zama wasu irin mutane ba yana so ya ce a ba yara kashi mm. me yana so ya faɗi kai a kawo discipline kawo bon discipline sai surtout ça eh, sa ele discipline haka nan ne discipline irin ma haka nan ne plusieurs manières de se comporter <laughs> ok yanzu masalan ma gare ku eh, Kaman abun ga yanzu abun discipline in nan yanzu eh, paske akwai wani problem uwayen yaran ma suna da matsala paske su da su ji an ce ka a sake taba yaro yanzu duk ko magana ka mai ba ko wani eh, ubanni ba yake ganewa da ya kamata shi ma yaran nan ya samu ladabin da zai yi burka ya gane yanzu in ka taba yaro uban zai ta gendarmerie ya ciro convocation eh, nawa muka gani nawa muka gani abokanmu na masu karantar da mu nawa muka gani aka rihe mhm. cikin daji daji ko kun kawo hadda laihin hmm? iyaye su ma ah, su ma ne su ma ne babban laihi to ko yanzu a ganin ku kamar she rika hmm? zagin yara a cikin class ko kuma yana rabe san su zagi to mushi bai kamata ba mushe ya zagi hmm. yaro cikin class parce que zagi bai da kyau epi yana ba da un mauvais exemple quoi mais mhm. yana da ko yaro in bai iya ba akwai definition da ya kamata a yi da ba bai kai ba ka bashi kashi ba ko wani abu abubuwa mm-hmm. haka da a da mu eh, eh, eh, akwai babu irin definition ba a muna ba don ya kamata surtu surtu ubannin yara su ganewa da yara na in sun zo abun da suke hodin nan des fois c'est pas comme ça donc des fois c'est pas comme ça il faut que les parents d'élèves prennent conscience que abonga ah l'éducation c'est fait à la maison et non à l'école l'éducation c'est fait à la maison mm -hmm. comme le disait Paul Valéry L'éducation ne se borne pas seulement à l'école. Ton milieu est ton éducateur. Aujourd'hui on va souffler la musique avec ce morceau Mouchel l'école de Hadiza Mambo. sauraron mu bari mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗa fada inda maudu'in namu na yau shine La violence a milieu scolaire comme kamar yadda na faɗa muna filin makarantar COS zam inda muke tattaunawa tare da bakin mu Monsieur Abbas Jubbo SG syndicat des enseignants Monsieur Soumaila Kangay Koba SG et censeur du CS ZAM Monsieur Bagio Omar professeur du soir géo ici au CS ZAM et Monsieur Ibrahim Douda membre du comité exécutif Soumaila Abdourachid le SG comité exécutif USM Imran Ali, qui est aussi membre de la commission exécutive. Donc je reviens vers vous, Monsieur Bagui Oumarou. Euh, comme le censeur nous l'a dit, la violence, ça peut être entre enseignants ou entre enseignants et son élève ou entre les élèves. À votre avis, qu'est-ce qui peut amener un élève à s'en prendre à son enseignant Quelles sont les raisons Bon, d'abord, et Normalement, on doit définir d'abord comme les acteurs de la violence à milieu scolaire. Les acteurs, c'est les enseignants, mhm. les élèves, les parents d'élèves et même l'entourage. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne sont pas des élèves, qui ont des amarres ou des amis ou autres qui rentrent dans les cours, mhm. qui exercent des violences. Et la violence, il y a plusieurs sortes de violences. D'abord, il y a une contrainte. La contrainte, c'est une violence. Mhm. Quand vous avez la force sur quelqu'un, vous harcelez la personne ou vous intimidez la personne, c'est de la violence pour atteindre un objectif. Maintenant, les causes. Les causes, il y a plusieurs causes. La cause principale de la violence aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est quoi l'éducation Depuis que on a supprimé dans le milieu scolaire ce qu'on appelle le châtiment corporel. Parce que les élèves, nous, au niveau du secondaire, nous, on n'éduque on éduque plus. C'est au niveau du primaire qu'on éduque les enfants. Tous les élèves du secondaire qui sont violents, ils ont eu ça au primaire. C'est au primaire qu'on éduque un élève. C'est la base. C'est la base à la maison et au primaire. Maintenant, il n'y a pas de châtiment corporel. Aujourd'hui, ceux qui ont supprimé le châtiment corporel, ou bien ceux qui soutiennent le châtiment corporel si ce n'est pas châtiment corporel, ils ne peut, pas arriver là où ils sont. Tant qu'un enfant à l'école ou à la maison n'a pas peur de ses, de ses parents, ne peut pas être un bon exemple. Aujourd'hui, s'il y a violence, c'est au niveau de l'éducation. Au primaire, à la maison, ou bien quand tu, tu parles à un élève d'être correct, il peut aller te convoquer et on t'amène en prison, l'enfant n'en plus, plus de toi. Donc c'est l'éducation, c'est le, manque de châtiment corporel. Au niveau de secondaire, on ne peut pas parler d'éducation, mais il y a la conduite. Les années où ça marche très bien, c'est la conduite et la prénote d'un élève. Partout où un élève est orienté, ou bien qu'il veut être orienté, on ne regarde pas sa note, on regarde sa conduite. S'il a une mauvaise conduite, il n'est pas accueilli, il n'est plus accueilli dans, le milieu. Mais aujourd'hui, vous allez voir des élèves qui ont zéro en conduite, qui passent en classe supérieure. Des élèves qui ne viennent pas à l'école, il parlent en classe supérieure. Si tu sais que je viens à l'école ou pas, mon, enseignant a une pression ou bien un pouvoir sur moi ou pas, je passe en classe supérieure, là je m'en fous avec mon enseignant. Mhm. Je peux faire ce qui me semble bon et c'est ça, c'est l'éducation. Tant qu'on n'a pas, nous ne sommes pas revenus sur le passé, sur nos, principes, nos mœurs, nos cultures, mhm. l'enfant appartient à toute la société. Mhm. Donc aujourd'hui, il y a des éléments qui, si tu très mal, ils vont dire ça à leurs parents. Et vous allez voir, demain, le père va venir. Pour lui dire, ah, mon enfant, tu as fait telle, telle, telle chose. Alors que l'enfant dont tu parles là, c'est pas pour toi, c'est pour toute la société. Mhm. Aujourd'hui, si moi, ça t'est à moi aujourd'hui, on va revenir, on va revenir sur le, le passé. Il faut que la conduite et le châtiment corporel soient les premières disciplines dans un établissement, du primaire jusqu'à l'université. Merci, monsieur euh, Bagui. Donc, monsieur Soumela, je vais revenir vers vous. Vous, venez euh, d'écouter l'intervention de M. Bangui. Selon vous, à qui ou à quoi peut-on attribuer la responsabilité de ces faits À la société, aux parents, la télé, les médias, l'entourage À quoi exactement À tout l'environnement. Il y a eu l'abandon de l'État. L'État a abandonné le système éducatif. Aujourd'hui, quand vous regardez notre, euh, notre établissement, vous avez plus de 1000 entrées. C'est là où Badi parle de paramètres externes. Donc les gens qui viennent provoquer, n'est-ce pas, nos élèves, donc les violences qui sont externes. Hein? C'est parce que vous avez plus de 20 à 30 portes au niveau de l'établissement. Est-ce que vous avez vu Donc c'est des entrées. Donc c'est un abandon de l'État. Dans une capitale, vous avez hein, une école est vraiment bien située, mais dont il n'y a même pas de mur. Vous voulez qu'il n'y ait pas de violence Le premier élément d'une éducation, c'est l'éducation de base de la maison. Mhm. Aujourd'hui, il y a un abandon de la part des parents. Les parents ne suivent pas leurs élèves. C'est quand en fin d'année, l'enfant est renvoyé, c'est un instant là hein, la personne vient et demande Ah, moi je n'ai pas compris pourquoi on a renvoyé mon enfant. Est-ce que tu as suivi l'enfant depuis le début d'année jusqu'en fin d'année. Le manque de suivi des parents. Mais il y a, attends, je te dis, le danger même, il y a des élèves qui sont renvoyés, et eh, ils savent, des élèves qui sont renvoyés, mais les parents ne savent pas. Ils n'ont pas informé les parents. Et chaque matin, ces élèves-là, ils s'habillent, ils viennent, ils s'asseyent là-bas, ils prennent le frais de récréation. Pour les parents, ces enfants-là sont encore élèves. Mais ils ne sont pas élèves, on les a renvoyés. Donc, il y a la faute des parents. Il faut que les parents se réveillent il faut que les parents se soucient de l'éducation de leurs enfants. Donc euh, la dernière question, je veux commencer avec vous, M. Bagui Omoro. Qui du garçon ou de la fille fait le plus face aux violences en milieu scolaire Est-ce qu'on peut encore parler de violences basées sur le genre, par exemple en milieu scolaire Donc, et d'ailleurs, même euh, si on regarde des données, ceux qui sont vraiment victimes en nombre important, mhm. c'est les filles. Parce que les filles, elles sont d'abord victimes de la violence des autres camarades garçons. Les filles, elles sont victimes d'abord par leurs camarades garçons. Les filles, si c'est au niveau secondaire, les filles, elles sont victimes des enseignants. Mhm. Les filles, elles sont victimes de, de, même de leurs camarades filles. Donc, elles sont même aussi victimes des milieux extérieurs. Parce que vous voyez, des fois, il y a des gens qui ne sont pas du milieu scolaire, qui viennent dans les écoles, comme l'a dit SKK, Kangay. Mhm. Il y a des, écoles n'ont pas de murs. Mais que ça, ce n'est pas un mur. Même les écoles, il y a des murs, il y a plusieurs portes. Même si le mur sont là, on peut les sauter, des murs de 1 mètre. Mhm. Donc voilà, les filles sont en, en, en, majorité victimes de la violence en milieu scolaire. parce mhm. Parce qu'elles sont victimes de presque de toutes les autres couches. Merci beaucoup, Monsieur Bayou Umar. Imran Ali, kai da har yanzu kana cikin en kai a ganinka ɗalibai mata ko maza, wane ne ya fi fuskantar matsalar violence a milieu scolaire mata ko maza? Matsalar violence na mata wannan shi sai dan ka general sai dan ka general mata wannan an san da sun fuskantar violence ko irin fanni ne mhm. milieu scolaire bon disons cette génération on ba a vraiment su ne ke su ne ke fuskanta wani violence de ce cas parce que c'est eux qui s'exposent eux-mêmes à la violence mhm. la plupart de ceux qui de ceux qui bon de ceux qui sont confrontés à tout type de violence scolaire c'est eux qui sont c'est eux qui s'exposent eux-mêmes à la violence scolaire et pourquoi vous dites ça bon, on le voit tous. Mhm. On ne peut pas, disons, on va à l'école, on se maquille comme si on va à un bal. Donc, monsieur Abbas, je veux à vous la question avant de clôturer. Ok, donc euh, nous, au niveau du primaire, on peut dire que la violence est basée pratiquement. Parce que nous, si ce n'est pas cet événement-là, la violence qu'on connaît dans les écoles primaires, c'est les bagarres entre les élèves. Et généralement, c'est les filles qui se bagarrent entre elles plus que les, les, les, garçons. Mm. Donc, euh, je peux dire aussi qu'à notre niveau, les filles sont plus exposées au danger. Mm-hmm. C'est comme l'a dit mes prédécesseurs au collège. Donc, euh, c'est normal qu'au au niveau du collège et lycée, les filles soient plus exposées parce que, comme il l'a dit, parce que si elles s'habillent indécemment, donc c'est normal que les yeux des hommes soient braqués sur elles. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, on peut dire qu'en général, Merci beaucoup, monsieur euh, Abbas Jubou. Avant de clôturer, chers auditeurs, nous allons accueillir Olivier et sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans la chronique de ce soir. Toujours un plaisir de vous retrouver. Le sujet de la chronique n'a pas fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais il s'agit quand même d'un aboutissement social loin de chez nous qui doit forcément nous inspirer dans les années à venir. Amis auditrices et auditeurs, ce soir, destination USA où la mise en place de l'Equal Pay entre sélections masculines et féminines américaines de football a été définie le mercredi 18 mai 2022. Parmi les grandes mesures, salaire égaux et partage des fonds alloués pour les Coupes du Monde. Cette avancée historique dans l'histoire du football mondial est le fruit d'une lutte acharnée des femmes footballeuses et leur soutien. Dans la plupart des pays au monde, les femmes joueuses de foot sont moins payées que leurs collègues masculins. Les raisons de ces disparités sont multiples selon les pays. Si selon certains les droits télévisés et les contrats des partenaires des hommes sont plus rentables que celui des hommes, d'autres estiment tout simplement que le football féminin n'est pas aussi bankable, rentable comme l'est le foot masculin. Cependant, aucune de ces raisons n'a convaincu les Américaines pour qu'elles se résignent. Cet aboutissement est né de l'engagement de la capitaine de l'équipe nationale féminine de foot américain, Megan Rapinoe, elle et ses collègues étaient convaincus qu'elle méritait plus et elles l'ont prouvé à travers des victoires lors des compétitions et tournois. Pour exemple, en 2019, elle a conduit son équipe en finale de la Coupe du Monde de football avant de remporter la Coupe du Monde. Plusieurs médailles et trophées sont également à leur actif. Amis auditrices et auditeurs, cette acquisition de l'Equal entre sélections masculine et féminine américaine est une leçon pour notre génération. Elle nous apprend que tout est possible quand on y travaille et on y croit. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. Rendez-vous demain pour une autre chronique. Merci Oli et oui les amis, tout ça, la fada c'est terminé aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème d'aujourd'hui, les violences en milieu scolaire, quelles sont les causes Comme ils l'ont dit, eh ben, les filles comme les garçons et même les enseignants font face à cette forme de violence. Monsieur Abbas Jubbo, SG syndicat des enseignants, M. Soumaïla Kangay senseur S SZAM, Monsieur Bagé Oumar, professeur d'histoire histoire géo, M. Soumaïla Rachid, SG comité exécutif, Ibrahim Daouda, membre du comité exécutif et Imran Ali, membre aussi du comité exécutif. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain pour une autre fada.